The forum the forum, the forum forum, the forum, the forum forum, the forum, the forum forum, the forum, the forum forum, the forum, the forum forum, the forum, the forum forum, the forum, the forum forum, the forum, the forum forum, the forum, the forum forum, the forum, the forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum de la presse du studio Kalangou. Au micro, Seni Ayubakaka. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz et Kwarategi 90.9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des 31 radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Notre page Facebook Studio Kalangu, Notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum de la presse de ce soir revient sur quelques faits de l'actualité de la semaine. Nous avons choisi d'aborder avec les confrères du, le, 30e, le 30e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, commémoré le 15 octobre dernier, l'attaque des bandits armés contre le village de Colman dans le département de Terra, région du Tilaberi, la grève du syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX, le rapatriement encore cette semaine d'autres migrants nigériens de l'Algérie et en sport, il sera question de la participation du MENA à la Coupe du monde des moins de 17 ans dont les joueurs ont regagné Niamey aujourd'hui même. Pour discuter de tous ces thèmes d'actualité, nous avons comme invité dans ce studio Hussein Issa, journaliste freelance. Hussein Issa, bonsoir. Bonsoir. Suleiman Mamadou du journal euh, en ligne Niger Inter. Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et Arimi Kiari de la radio alternative. Arimi, bonsoir. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Forum de la presse de ce vendredi 20 octobre 2017. En début de cette semaine, 246 migrants nigériens viennent d'être rapatriés d'Algérie Aussitôt arrivés dans la ville d'Agadez, ces Nigériens rapatriés d'Algérie ont été pris en charge par les autorités de la région d'Agadez. Selon Idi Chebou, secrétaire permanent du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, ils ont tous été logés dans des tentes. Ces rapatriés sont pour la plupart des, ressortissants des régions de Zender, Maradi et Tawa. Ce groupe de migrants rapatriés d'Algérie constitue la septième vague courant cette année 2017 à être refoulée nous sommes en ligne avec notre correspondant Moussa Maman depuis Agadez qui nous fait le point de la dernière situation sur cette question. Selon le dispositif national de prévention gestion crise alimentaire région d'Agadez, la première phase de rapatriement des Africains d'Algérie a commencé en 2014. Donc de 2014 à 2017, 50 vagues ont été accueillies, composées de 24 050 personnes, dont la majorité sont des Nigériens et les restes des autres pays d'Afrique. La deuxième phase qui a débuté à partir euh, du mois d'août 2017 à nos jours a arrêté euh, neuf vagues composées de 2761 personnes. Là aussi, la plupart sont des Nigériens ressortissants des régions des NDR, Maradi, Belkika, des Tawa, un peu d'Osso, Tilaberi. Ces vagues euh, se varient parfois sur une vague des hommes, composée des hommes seulement, d'autres vagues composées des hommes, de femmes et enfants et étrangers aussi. Mais les étrangers, juste après le profilage, ils sont euh, orientés au centre euh, de transit de l'OIM, donc à Gadeza. De 2014 à à la date d'aujourd'hui, je disais de 2014 à la date d'aujourd'hui, euh, donc 26 811 euh, personnes ont été rapatriées d'Algérie. Et la majorité, c'est des Nigériens, comme je le disais tout à l'heure, uh-huh. hommes, femmes et enfants. Donc, dont la plupart ressortissant euh, cendres et maradis D'accord. Alors, quelles sont les conditions d'accueil, justement, de ces rapatriés au niveau d'Agadez euh, ces rapatriés passent d'abord par Agadez. Euh, aussitôt arrivés à Agadez, ils sont accueillis et hébergés par les autorités de la région d'Agadez. Au début, donc, ils sont hébergés dans les écoles, mais maintenant, avec la rentrée scolaire, la mairie d'Agadez euh, les a attribués donc une grande parcelle située mhm. à la sortie de la ville d'Agadez sur la route d'Ottawa. Donc, l'assistance sur les sites est apportée par l'État et le partenaire. Donc, grâce à ces partenaires, à savoir l'OIM, l'IRC, Médecins du Monde, euh, aussi euh, les, districts, sanitaires euh, Agadez Commune, les restaurations leur couverture, euh, leur santé, pratiquement tous leurs besoins ont été pris à charge. D'accord. Alors, est-ce qu'ils passent suffisamment de temps dans ces centres Comment est-ce qu'ils sont ensuite transportés pour regagner leur localité d'origine en tout cas, il y a assez de temps sur le site tout est assuré par l'État. le transport euh, de rapatriés nigériens est, totalement pris en charge par l'État nigérien. Donc euh, les autorités d'Agadez les acheminent dans leurs localités respectives dans le bus euh, de transport. Et les étrangers, comme je le disais tout à l'heure, leur transport est pris en charge par l'OIM. Oui. De Asamaka à Agadez. De, de, Asamaka à Agadez, justement. Ils sont transportés comment Oui, ça, ça c'est l'État nigérien qui, qui prend la charge. C'est dans des camions. Ils viennent dans des gros camions. Oui. Euh, des camions, leurs bagages. et euh, d'Arlit, on les achemine aussi avec le bus de transport aussi. Et Totalement, leur transport, leur transport est pris en charge de, d'Assamaka jusqu'à jusqu'à l'Agadez Agadez, à Arlit Agadez et leur. Euh, localités respectives, euh, leur acheminement est, est pris par euh, l'État nigérien. D'accord. Moussa Maman, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup. D'accord. Euh, chers confrères, vous avez entendu la situation avec Moussa Maman. Est-ce possible de mettre fin à cette pratique dans ces régions ben, Si j'ai la parole, moi je dirais que c'est impossible de mettre fin à la migration. Euh, il y a seulement quelques temps, euh, l'OIM et l'État du Niger ont communiqué pour dire qu'ils ont pu ramener à mille et quelques le nombre de passages par Agadez euh, cette année. Et voilà qu'on nous ramène euh, pour cette année, depuis quelques mois seulement, 2761 selon votre correspondant. Autrement dit, ils sont passés par où il euh, y a une journaliste qui était à Kanché euh, la dernière fois. Quand elle partait, moi, je lui ai donné une adresse. Euh, des, adresses en fait des, femmes que moi-même j'ai eu à rencontrer ah pour un travail. Quand elle est partie, elle les a pas trouvées. Elles sont toutes parties. Donc autrement dit, oui, on peut bloquer les routes qu'on connaît, on peut créer des situations difficiles pour ces personnes qui ne cherchent que euh, leur survie, qui ne cherchent que leur euh, bien-être, mais ça ne va pas changer. C'est aussi vieux que le monde. Le monde a été créé euh, par la migration. tant que ça ne va pas quelque part, les gens vont partir parce qu'ils n'accepteront pas d'être des prisonniers sur leur propre terre. Donc c'est ce qui se passe. Oui, l'État est euh, l'Union européenne et les organisations de lutte contre la migration vont imaginer des choses, mais l'être humain, il est prolixe, surtout en cas de besoin, surtout quand il a le ventre vide, surtout quand il n'a pas quelque chose à faire. Ils vont toujours trouver des voies et moyens de s'en aller. Même si on va les rapatrier, ils vont encore se retrouver, même si c'est pour un jour, deux jours, trois jours, comme certains euh, malchanceux euh, rencontrent le problème, mais ils vont partir parce qu'ils savent que là-bas, ils vont vivre mieux. Là-bas, ils vont trouver de quoi survivre, de faire la résilience pendant un certain temps ah. et tout. Donc moi, je pense que euh, il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas empêcher la migration. On peut créer on peut donner le choix à un citoyen de partir ou pas. Comment il a du travail sur le, terrain, il a de quoi survivre, il a de quoi envoyer ses enfants à l'école, les soigner. Moi, je pense que 90% de ces personnes ne partiraient pas. D'accord. Ousseini, ça vous êtes de cet avis je partage entièrement cet avis parce que c'est une thématique euh, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et je travaille encore d'ailleurs. Et ce que euh, je pense que les gens qui sont en train d'être rapatriés d'Algérie, c'est dans le cadre d'un accord qui a été signé par le gouvernement nigérien avec les autorités algériennes. Et c'est à partir de ce moment que la traque a, a, été déclenchée. Et depuis pratiquement 2014, euh, on assiste à des retours de vagues. Mais les conditions dans lesquelles souvent ils sont acheminés jusqu'au niveau de la frontière nigérienne, ce sont des conditions exécrables. Parce que tout simplement, j'ai suivi récemment sur RFI, un élément ou pratiquement un témoignage où le, migrant qui a été ramené jusqu'à Alit expliquait que ils font deux jours souvent sans manger. On vient, on les déverse. Maintenant, au niveau de la prise en charge, c'est aussi une autre difficulté. Ils vont être pris en charge à Agadez, mais le plus souvent, c'est des organisations qui sont localement basées là-bas qui s'occupent de ces gens-là. Souvent, quoi qu'on dise, euh, les interventions de l'État sont minimes. C'est des interventions minimes. Mais le plus important, à mon sens, le tout n'est pas d'aller signer des contrats ou du moins des conventions avec des, Ces gens qui quittent, quand ils quittent, ils n'ont pas décidé de quitter comme ça parce que tout simplement, ils veulent aller voir ailleurs. Ils ont décidé de quitter parce qu'ils sont dans des conditions difficiles. Ils vivent dans des conditions difficiles. Quand, par exemple, ils cultivent le champ, ça n'a rien donné. Il n'y a aucune assistance, il n'y a aucun accompagnement. Mais quelle alternative La personne va préférer s'en aller parce que tout simplement, peut-être les huit mois, les un an qu'elle va passer là-bas de l'autre côté, elle va engranger un peu de ressources, d'argent qu'elle va envoyer aux parents, qu'ils soient restés au village ou du moins au village. Mais aujourd'hui, on s'est mis dans une logique où on les fait revenir on les achemine peut-être, on va les acheminer peut-être jusqu'à chez eux, jusque dans leur village. Mais quel est l'accompagnement Quel est l'accompagnement Parce que tant qu'il n'y a pas d'accompagnement sur place, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont tenter de retourner. Ils vont essayer d'économiser de l'argent, reprendre les mêmes circuits pour se retrouver en Algérie ou souvent en Libye. Voilà toute la problématique où on lutte pour créer les conditions pour que les gens puissent rester dans leur village, en créant notamment un certain nombre de cas, un cas de vie adéquat, décent, où la personne peut accéder à l'école, où la personne peut accéder à des biens, comment dirais-je, euh, non, alimentaires, où la personne peut inscrire ses enfants à l'école, où la personne peut, se soigner. Mais tant que tout ça là n'est pas fait de manière adéquate, les gens vont partir. Parce que tous ces aspects que je viens de citer, aussi bien la nourriture, aussi bien l'école, aussi bien la santé, tout est devenu payant aujourd'hui. D'accord. Soleiman Mahamadou, euh, cet accord dont Ousseini parlait tout à l'heure entre les, deux États, est-ce qu'il ne met pas aujourd'hui les, citoyens nigériens qui, qui partent justement dans cet État voisin en insécurité euh, absolument. Euh, le phénomène de la migration, de façon générale, je pense, traduit simplement euh, l'état de pauvreté, les conditions de vie difficiles. et effectivement, comme les autres l'ont dit, pour les juguler véritablement, il va falloir donc agir euh, sur la pauvreté, euh, en tout cas créer les conditions, comme aime bien dire le président de la République, mhm. c'est-à-dire que euh, donc arrimer donc migration et développement, en tout cas l'inscrire dans ce sens, il faut donc lutter contre la pauvreté de façon générale, créer des projets aux gens, mais dans tous les cas, on ne peut pas éradiquer ça de manière définitive. Il y a le goût de l'aventure, quel que soit le, le, le bien-être, les gens ont envie d'aller ailleurs, voir ailleurs. Euh, donc moi, je pense que euh, le plus important, c'est que euh, c'est vraiment véritablement que les autorités, avec vraiment l'ensemble des partenaires, puisse euh, vraiment être euh, euh, réaliste, asseoir une politique vraiment réaliste, à savoir, il faut impliquer. Par exemple, aujourd'hui, à Agadez, il y a des menaces sérieuses, à savoir que les gens qui vivaient, qui vivent, en tout cas, qui vivaient de la migration aujourd'hui, ils sont devenus maintenant, en fait, des chômeurs. Et il y a beaucoup de risques, effectivement, c'est les gens qui connaissent le terrain qui, ont, qui, peuvent véritablement développer l'insécurité d'une certaine façon. En tout cas, c'est que sûr, il euh, va falloir donc euh, vraiment tenir compte de tous les paramètres pour qu'on puisse euh, véritablement, en voulant gérer la question, parce que vous voyez un peu, même en Occident, leur approche, elle est vraiment, vraiment biaisée parce que véritablement, ils ont décidé, ils pensent que, parce que c'est vraiment, c'est vraiment un faux problème. leur problème, ce n'est pas vraiment les migrants qui constituent leur problème, de certaine façon en réalité, euh, euh, il y a même un, problème de gouvernance, un problème en tout cas de, de, de, euh, défense de l'État aujourd'hui même en Occident. Donc, ce qui fait que c'est un problème global, il, faut, va falloir justement gérer ça de, façon globale. Donc, c'est vrai, ici, en tout cas, il a, tous ces efforts-là, parce que lorsque, malgré tout ce qui est en train d'être fait, les gens, quand même, persistent à partir, ce que, bon, comme l'a dit, l'être humain par nature, véritablement, il, est appelé vraiment à, faire bouger les choses. C'est-à-dire que quand tu es dans une de, de, misère, tu vas te dire faut aller voir, ailleurs. Donc je pense que la question au niveau mondial, en tout cas de la, de la, migration, c'est aujourd'hui un grand débat. Il n'y a pas moyen. il n'y a pas, pas vraiment une approche euh, un peu tout simplement ce qu'ici les, les, les, autorités et les Occidentaux peuvent en tout cas concevoir pour l'imposer. Non, je pense qu'il y a d'autres euh, d'autres voies. Aujourd'hui, moi, ce que j'entends, en tout cas à Agadez, c'est que c'est inquiétant. Vraiment, si on ne fait pas attention, on risque véritablement euh, euh, de voir, euh, on ne le souhaite pas, en tout cas, une situation de sécurité développée par des gens qui connaissent le terrain. Parce qu'ils connaissent le terrain, ils sont dangereux pour, le pays. Donc, il va falloir justement les occuper, en tout cas, avec des projets. Et ça tarde vraiment. Depuis longtemps, on fait miroiter des choses aux gens, ça ne vient pas. Et par conséquent, on dit ventre, point, ventre, ventre cœur à point d'oreille. Dans le cadre de cet accord entre les deux États, il n'y a pas de, mesures d'accompagnement Bon, euh, si on constate que le phénomène persiste, c'est que véritablement la solution n'est pas à la hauteur des attentes ou bien de, la solution attendue par, par, ces gens. D'accord. Arémi, comment dissuader les potentiels candidats Moi, je pense que d'abord, hein, moi, je ne suis pas pour euh, dissuader. Je suis euh, un défenseur du droit euh, au déplacement, du droit euh, d'aller et de venir. Euh, je pense que chacun dans ce monde-là a le droit d'aller où il va et de revenir. Ça, c'est un. Maintenant, cet accord, il faut se dire qu'il a été suscité par l'État du Niger, n'est-ce pas, qui veut se montrer bon élève aux yeux de ceux que cette migration-là gêne la communauté, la communauté européenne euh, l'Union européenne surtout, donc la France euh, et ses autres euh, acolytes. Donc c'est de cela qu'il s'agit malheureusement, donc il faut se montrer bon élève, donner des résultats, parce que aujourd'hui on est dans une logique de chiffres. Hein. On va parler tout de suite de 27 000 retournés. Oh là là, que l'État du Niger est compétent et très efficace. Voilà ce qui se passe à nos frontières. C'est de cela qu'il s'agit. Malheureusement, c'est des Nigériens qu'on amène, c'est des Nigériens qu'on expose. Je suis d'accord qu'on voie des Nigériens tendre la main sur un territoire étranger. N'est-ce pas Toi qui es de passage, ça te fait mal. Mais qui veut tendre la main Nous avons tous la même culture. Qu'est-ce qui peut amener un Nigérien normal à vouloir tendre la main à gauche et à droite, à s'arrêter sur un rond-point présenter son enfant euh, pour que les gens aient pitié et qu'on lui donne sa pitance. C'est vraiment la pauvreté. Et malheureusement, euh, quand on a faim, l'instinct animal ressurgit en l'être humain. C'est tout simplement ça. Et la solution, elle est là donc. C'est d'aider les gens à produire. On ne dit pas de donner, de le nourrir tous les jours. Non, de créer des conditions de développement. Aujourd'hui, le budget de, l'État du Niger sera sur la table de l'Assemblée nationale pour validation. Est-ce que ce budget prend en compte ces personnes Est-ce qu'il y a, on a pensé à dire que, bon, voilà ce qu'on doit leur faire cette année pour qu'ils ne partent pas Mais chacun veut... J'ai vu un chef de village, il me dit, écoutez, là où je suis, aujourd'hui je peux me déshabiller, me coucher devant ma porte là. Jusqu'au matin, il n'y a personne qui osera me toucher parce que je suis chez moi. Il dit les gens, s'ils partent, c'est qu'ils sont exposés au plus fort que ça. Euh, ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à, faire leur mariage, ils n'arrivent pas à faire euh, aller au dispensaire, ainsi de suite. D'accord. C'est aussi simple que ça. Hein. Moi, je pense que c'est un problème simple qui est compliqué parce que au, au bout, il y a un financement d'abord qu'il faut capter c'est le financement de l'Union européenne de lutte contre la migration, n'est-ce pas Et ce qui fait que les décisions qui sont prises chez nous ne sont pas, nos décisions n'émanent pas de notre façon de voir les choses. D'accord. Arimi, on poursuit ce forum avec la deuxième thématique d'actualité aujourd'hui. Les préfets des départements de Terra et du Bankilari ont visité le dimanche dernier le village de Colman, dans le, dont le marché a été récemment victime d'une attaque de bandits armés. Jean au téléphone, le préfet du Terra, Hamadou Alidou, affirme qu'ils étaient allés pour rassurer les populations de cette localité. Selon le préfet, ce sont des bandits de trois nationalités, à savoir des Nigériens, malien et burkinabés qui opèrent dans cette zone. Pour preuve, après l'attaque du marché de Colman, les FDS, les forces de défense et de sécurité, ont ramené les cadavres des 17 personnes, dont 4 Nigériens. Hussein quelles sont vos réactions suite à ces attaques répétitives dans cette zone oh, C'est toute la bande euh, euh, sud-ouest du pays. De la même manière que de l'autre côté, il y a Boko Haram qui, qui sévit depuis pratiquement février 2015. Dans cette bande aussi, <laughs> bon, évidemment, <laughs> la première menace, c'est d'abord les djihadistes du Nord Mali et les terroristes qui sont là-bas. C'est la première menace. Maintenant, <laughs> des individus vont se mettre ensemble parce qu'ils se disent que c'est une façon de pouvoir, en tout cas, s'enrichir. Dès lors qu'il n'y a pas, du moins euh, le dispositif sécuritaire certainement qui est dans la zone, il y a des failles les gens parviennent à pénétrer, à poser des attaques et à pouvoir s'en tirer. Je suis heureux d'entendre que la poursuite a pu donner lieu, et, comment dire, à, l'arrestation ou du moins à la neutralisation des, des éléments qui sont venus attaquer le marché. Mais le plus souvent, quand ces gens viennent, euh, ils font leur attaque et ils parviennent à s'enfuir. Et c'est ça que moi, je ne comprends pas. Parce que tout simplement, je peux comprendre, on ne peut pas mettre fin de manière radical dire qu'on peut mettre fin aux attaques. Mais ce qui peut se faire, c'est que quand la personne vient attaquer, qu'elle n'ait pas la chance de pouvoir se retirer. C'est ça le plus important, parce que c'est ça qui est du dissuasif. Mais quand les gens viennent, ils attaquent. Peut-être les projets sont engagés longtemps après. La personne a déjà eu le temps où le groupe ou le commando a eu le temps de franchir la frontière. Voilà c'est à quoi nous sommes confrontés et c'est ça qui fait un peu que on assiste à, je vais dire, des attaques sporadiques parce que c'est sporadique. Quand ils font un coup, ils vont essayer de faire oublier, faire baisser la vigilance, et après ils reviennent, comme ce à quoi on a assisté à Tongotongala tout récemment, où des, formateurs américains et des soldats nigériens ont été tués. C'est parce que tout simplement, quel que soit par ailleurs euh, la détente, quel que soit par ailleurs les moyens, mais la vigilance, un jour ou l'autre, ça va baisser. Parce que ces gens, ils ont des informateurs au niveau des villages, dans les parce que c'est le plus souvent des villages comment dire, à la lisière des frontières. Quand ils viennent, ils sont, et comment veut dire, ils sont avec les populations, ils ont souvent des liens même de parenté. Et ça fait que, malheureusement, tant que euh, les dispositifs, euh, les forces extérieures qu'on a fait venir sur notre sol, parce qu'ils font un travail de renseignement, mais je me pose la question, à quoi les renseignements Parce que les renseignements qu'ils fournissent, à quoi ça sert Voilà tout l'enjeu. D'accord. Il faut mettre l'accent sur ces questions-là si tant est que on veut mettre fin, en tout cas, on veut réduire de manière drastique les attaques. D'accord. Suleiman, apparemment, ça remet en cause le dispositif euh, de renseignement. Euh, bon, euh, par rapport à, l'attaque de Tango Tanga tout, récemment, donc, on, parle en tout cas d'un déficit de, de, En tout cas, une sorte de collaboration avec. de complicité donc au niveau des populations. Et c'est là justement l'autre aspect. C'est-à-dire qu'il va falloir que euh, les populations, aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous avons les moyens avec le, le, téléphone euh, qui, est partout au village. Euh, les gens, en tout cas, s'ils veulent, les citoyens, collaborer véritablement à aider les FDS, ils peuvent véritablement, euh, euh, de ce point de vue, jouer un rôle important. Mais mm. effectivement, quand il y a des complicités, comme il est dit, euh, les gens sont connus et qu'on essaie, parce que c'est des parents, de, les protéger. Donc, vraiment, ça, c'est très dangereux. Parce que véritablement, nos, forces de défense et de sécurité ne peuvent pas elles seules. En tout cas, s'il n'y a pas la collaboration des populations, elles ne peuvent pas avoir, tout, quels que soient les moyens, euh, donc, euh, dont elle se dispose. Euh, l'autre aspect, c'est que aussi nous sommes face à une guerre asymétrique où véritablement, il faut le reconnaître, on parle aussi de plus en plus de trafic d'armes. vous voyez tous ces trucs-là à un jeu de drogues, vous voyez tout cela, fait que il y a des gens qui ne sont pas touristes mais arrêtés, qui font du business, ils se vont avoir des armes pour véritablement développer des gangs simplement pour attaquer les gens, profiter de leurs biens. Les gens profitent donc, euh, en fait. Donc Le banditisme en fait un peu, vous euh, voyez, normal. Mais euh, de façon générale, je pense que quand c'est récurrent, les grands temps véritablement, comme l'a dit Oussane Issa, qu'on ne puisse pas véritablement assister à une situation où les gens vont venir vraiment attaquer et même euh, rester pendant un, temps, on va dire aux gens, on ne les a pas retrouvés. Donc de ce point de vue-là, je pense que, euh, en tout cas, on voudrait que véritablement qu'on ne vienne pas euh, attaquer les gens et partir euh, se cacher impunément. Je ne, je ne nie pas du tout véritablement la conséquence de la situation au Mali qui fait que, en tout cas, je suis de ceux qui pensent que le problème malien a été mal réglé et on a donné autant à ces gens, en tout cas, à développer des tentacules, en tout cas, à, à bien s'armer, à bien se préparer. Aujourd'hui, dans la zone, ils peuvent vraiment venir opérer. Et euh, ce qui est plus inquiétant, c'est que les grands jihadistes, euh, donc les grands terroristes, en tout cas, se sont vraiment euh, implantés. Ils connaissent le terrain plus que peut-être les forces régulières. Donc, euh, vraiment, c'est tout cet aspect-là. Et je suis d'accord, effectivement, de ce point de vue-là. On aimerait bien que nos partenaires, en tout cas, euh, qui soient là, pour, en tout cas, qui disent qu'ils sont venus pour nous aider en termes de, de, de, de renseignements, qu'on puisse vraiment euh, voir à l'épreuve qu'effectivement, leur apport en termes de renseignements, en tout cas, sera a quelque chose. Et je pense que ce n'était pas euh, dire le fait que le, les, les, les, les, Américains ont été, ont été touchés. C'est-à-dire qu'ici, la dernière fois, qui est inquiétant, on dit que c'est des forces spéciales. Certes, c'est une surprise, elle n'était pas préparée, pas. Euh, mais véritablement, quand on dit que c'est les forces spéciales qui sont attaquées, ça fait vraiment euh, semer la panique euh, vraiment au niveau de l'opinion. D'accord. Monsieur Arimi, la dernière mesure consistant à interdire la circulation de motos comme on l'a fait à Difa aura-t-elle des conséquences beaucoup plus positives que négatives Écoutez, euh, la moto aujourd'hui c'est le moyen de déplacement euh, de toutes les populations euh, rurales, surtout. Euh, ça a carrément remplacé et le cheval et l'âne. bien sûr que ça va poser de problèmes Aujourd'hui, même en cas d'urgence, ça veut dire qu'ils seront comme Adifa, incapables d'effectuer les déplacements. Mais aussi, il y a une bonne frange de la population euh, qui s'est spécialisée dans le transport par moto, les kabou et qui constitue une source de revenus euh, pour les jeunes n'est-ce pas À DIFA, ils étaient estimés, je crois, à 1500 ou 2000 euh, qui faisaient ça et qui se sont vus euh, du jour au lendemain euh, coupés de leurs sources de revenus. je ne sais pas à quoi ils se sont transformés, mais ça fait carrément le lien le lien entre le premier sujet que nous avons débattu, la migration et aussi l'insécurité. Moi, je pense qu'il faut agir à la racine. Euh, c'est quoi agir à la racine C'est empêcher à ces forces-là, par exemple, de pouvoir recruter. Là, vous avez dit que les forces de défense et de, sécurité, ils ont amené 17 euh, corps, mais 17 corps de ressortissants de trois pays, dont des Nigériens. Autrement dit, trois corps de frères. N'est-ce pas Autrement dit, ce n'est pas d'ailleurs que les agresseurs viennent ils sont d'ici. Ils sont nos frères, ils sont nos sœurs, et voilà. Ils se sont mis à ça. Tant que ça va se poursuivre, tant que nous allons continuer à, créer les conditions, parce que tout laisse à croire que les recruteurs leur donnent de l'argent, n'est-ce pas Le moyen de s'affirmer, une arme de quoi avoir confiance en soi n'est-ce pas Mais écoutez, ils vont continuer à alimenter. On va en tuer, mais comme disent les migrants, que de rester mourir devant ma maman, je préfère essayer quelque chose avant de mourir. OK Donc c'est aussi simple que ça. Il faut toujours notre gouvernance dans nos pays, à mon avis, ont atteint une, une limite. Une limite que cette jeunesse qu'on disait il y a quelques années constitue une bombe est en train d'exploser ou a déjà explosé. Arrêtons-nous, vraiment, faisons notre meilleur culpa pour parler. Parce que même cette guerre qu'on dit asymétrique et tout, finira toujours autour d'une table. D'accord. Merci Arimi. Le Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique a commémoré donc ce 15 octobre 2017 le 30e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara avec une conférence publique autour du thème Le panafricanisme révolutionnaire de Sankara. Pour comprendre son idéologie, le Front a fait appel à un des témoins de la révolution sankariste, le franco-burkinabé Sana Salifou. Selon le conférencier, le panafricanisme consiste à avoir une vision de développement pour l'Afrique tout entière et au-delà. Le caractère révolutionnaire, selon lui, vise à rompre avec les traditions politiques, les diplomaties et de défendre les Africains. Suleiman, est-ce que selon vous, un grand pas est aujourd'hui franchi vers la justice pour Thomas Sankara ou plutôt pour sa famille euh, Je le pense. Euh, euh, depuis la chute de Blaise, je pense que l'obstacle majeur a été sauté. je crois que la plus grande leçon, moi, que je retiens, c'est que, comme on dit, la vérité finira toujours par attraper le mensonge. Aujourd'hui, eh, vous voyez Blaise comment il a quitté dans ses petits souliers, en tout cas humilié pour avoir fait tout ça pour son ami. Vous voyez, il a voulu s'accrocher au pouvoir euh, et je pense que le plus important, de la leçon aujourd'hui dans sa tête, il voit que pendant que euh, Sankara qu'il avait lâchement assassiné, et eh, il est honoré par l'Afrique entière, par le monde entier. Lui, aujourd'hui, il est dans la plus belle de, de l'histoire. Et c'est le plus important. Autrement dit, se vivre pour les principes, 呃。 en tout cas, comme vous dirait l'autre, à la fin, en fait, on verra que Sankara, malgré tout, il a une, une, bonne fin parce qu'aujourd'hui, son nom est retenu euh, dans l'histoire. Alors que l'autre, aujourd'hui, qui a, je pense, qu'il est, déjà, avant de mourir, lui, aujourd'hui, il vit une affaire parce que euh, ce qu'il voulait cacher, c'est qu'on ne vient de pas faire la justice, justement. Et aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'être euh, sues. Donc, vraiment, de façon, en tout cas, euh, euh, ramasser ce que je, retiens, ce que Sankara fut un grand homme et aujourd'hui euh, beaucoup d'Africains et à travers le monde euh, on pense que les principes qu'il avait défendus, la voix qu'il avait véritablement, celle de, de, de grands, en tout cas des de, de, de de l'unité africaine, euh, en tout cas, cette voie-là, on se rend compte que véritablement, c'était ça la voie euh, indiquée. Et aujourd'hui encore, nous sommes plus faibles parce que on nous a fragilisés. Euh, on voit qu'effectivement, pendant que euh, les Européens, par exemple, font, ont fait leur union, Aujourd'hui, vous voyez. Nous, sommes divisés. nous, sommes, divisés. Euh, ils arrivent à nous manipuler et ne vont jamais nous permettre de nous, unir. Voilà pourquoi, justement, on avait quelqu'un, en tout cas, des gens comme Sankara, on a vraiment besoin en Afrique. D'accord. savez Nissa mais ce que je veux dire, c'est que Sankara est un mimoctel. D'abord, c'est un mimoctel, c'est un précurseur. C'est un percusseur du panafricanisme après le Kwame Nkrumah, celui qui a pris la relève pratiquement de son vivant, vous voyez bien les chefs d'État qui le fréquentaient d'Afrique, qui y avait Johnny John qui venait régulièrement, il y avait d'autres machins, parce que tout simplement, il a compris que si l'Afrique ne se démarque pas des politiques occidentales, imposées par les Occidentaux, l'Afrique ne va jamais se développer. Et comment amener les Africains Il faut donner un exemple. Sankara ne pouvait pas vivre au-delà de ce qu'il a vécu, le temps qu'il a pu faire au pouvoir là. Parce que tout simplement, il continuait pendant un certain temps, certainement que il va transformer, en tout cas, beaucoup de pays. Parce que c'est quoi La révolution de Sankara, c'était une révolution au niveau du mental. Vivons comme nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'imiter des modèles. Avec nos ressources, nous pouvons nous développer à l'interne. Il l'a dit, et je crois que et un an avant sa mort, quand il était au sommet des non-alignés, où il a fait son intervention, où il dit que tout ce qu'il portait, y compris les boutons, tout provenait de, du, Burkina. Ça, c'était un modèle. L'altermondialisme, Sankara, c'est un précurseur de l'altermondialisme. Il fallait que les gens il faut que les gens comprennent les Africains. Mais malheureusement, on est toujours dans le même schéma le même chemin depuis les indépendances où les politiques sont dictées de l'extérieur. D'accord. Arimi Écoutez, euh, c'est comme Hussein a eu à le dire. Aujourd'hui, Sankara euh, lui-même l'avait dit. vous pouvez me tuer, mais euh, mes, idées, mais des milliers de Sankara vont surgir. c'est le cas Aujourd'hui, il fait quasi l'unanimité. Nous avons pratiquement assisté depuis une semaine à une campagne, d'ailleurs moi qui m'inquiétais. Je disais, mais où tant de grands médias euh, qui ne font rien pour rien, qui s'intéressent à cette question, est-ce pour nous distraire ou c'est sincère ah Est-ce que c'est sincère ah Moi, je me suis posé cette question-là. Toujours <coughs> est-il que euh, c'est vraiment, c'est vrai que c'est pratiquement l'apôtre du euh, de l'altermondialisme. Il est certainement né euh, ou il est intervenu vraiment avant euh, il était en avance sur son, Sur son temps. Et malheureusement, les gens se sont servis euh, des personnes qui sont les plus dangereuses dans la vie. Euh, un ami euh, pour l'assassiner. D'accord. Le conférencier dont je citais tout à l'heure, notamment Hassana Salifou, à l'instant, il, disait qu'il déplorait le fait que certaines personnes qui se déclarent sankaristes n'ont rien de son idéologie. Quelles conséquences pour, ce, pour le mouvement sankariste Mais écoutez, les idées sont là. Euh, les discours de Sankara, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'écrits, mais des livres ont été édités euh, sur Sankara. Euh, des personnes qui ont vécu avec lui euh, sont encore vivantes, n'est-ce pas C'est vrai que l'opportunisme prend généralement le dessus. beaucoup de soi-disant révolutionnaires, il suffit de regarder leur façon de vivre, n'ont rien de révolutionnaire parce que euh, le, le, révolutionnaire, ça, c'est, ça se reflète dans sa vie de tous les jours, c'est un comportement, ce n'est pas euh, vraiment une profession de, de foi seulement, euh, mais ça peut prendre le temps qu'il faut, mais c'est fini, on ne peut pas tuer le syncharisme. D'accord le, prochain thème donc de ce forum, le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur Sénex a renouvelé à partir du lundi dernier une grève de 72 heures après une autre de 3 jours observée la semaine dernière. Pourquoi le renouvellement de cet arrêt de travail Selon son secrétaire général Bakasso Sahabi, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé satisfaction à leur point de revendication qui sont le paiement des salaires, l'application des textes organiques des universités du Tawa, Maradi et Zender et la sécurisation des sites affectés à toutes les, universités publiques du Niger. Quelle est votre réaction par rapport à, ces grèves parlées euh, ma, réaction, c'est vraiment euh, la situation générale de l'école. Euh, à savoir, euh, j'étais en interview il n'y a pas longtemps avec le professeur Jibou Hamani. Il dit, et les autorités et les syndicalistes ont tendance à vraiment mettre en avant les détails sur la question de l'école cest à tourne toute l'année autour des petits avantages, mais on oublie ce qui est fondamental pour l'école. Aujourd'hui, tout le monde le sait, cette école-là, euh, la, baisse du niveau dont on parle, vraiment les problèmes euh, fondamentaux, en tout cas, euh, sont, là. Moi, je pense que c'est vrai, c'est la rentrée. Je pense que les enseignants ont besoin du minimum, en tout cas, pour qu'ils puissent être dans les conditions de faire la rentrée. C'est tout à fait normal euh, de, de, de, revendiquer. Mais je pense que euh, la question essentielle, c'est que autorités et, syndicats, on doit véritablement euh, euh, mettre en avant vraiment l'intérêt général pour que l'école vraiment puisse et la qualité d'une certaine façon. Il faut mettre les moyens, tout le monde le sait. Mais il y a des questions, en tout cas, ce qui est en tout cas une réalité, c'est que ça ne va plus au niveau de l'école nigérienne. D'accord. Hussein Issa, est-ce que toutes les parties doivent faire un sacrifice minimum eh bien entendu. Moi, je ne pense pas que <laughs> euh, qu'il euh, y a une partie dans le cadre de négociations. Le problème fondamental de l'école ces dernières années, c'est pas qu'il n'y a pas eu des négociations. Chaque fois qu'il y a des crises, il y a des négociations. Mais quand vous vous entendez, créez les conditions pour pouvoir régler les problèmes. Parce que le plus souvent, aussi bien les enseignants que les étudiants, c'est des revendications souvent matérielles. C'est des droits qui les réclament. Une fois que vous prenez l'engagement de donner ces droits-là, en cas de verser ces droits-là, de respecter, il faut le respecter. S'il y a des contraintes, il faut sortir l'expliquer. D'accord. Arimi mmh. moi, je pense que euh, le gouvernement a péché déjà dans cette crise-là. Des enseignants-chercheurs ne peuvent pas poser un mot d'ordre de grève et qu'ils ne soient même pas appelés pour être écoutés. ça veut dire qu'on s'en fout bon, ils n'ont qu'à reconduire parce qu'on sait, euh, en matière de gestion euh, de, de, de que quand c'est le cas, bien sûr, c'est la reconduite. D'accord. On continue sur le dernier thème parce qu'on n'a que quelques minutes. Le Ménacadé du Niger qui a participé à la Coupe du monde des moins de 17 ans a été éliminé en huitième de finale. Il a été battu par le Ghana par le score de 2 buts à 0. Il était pourtant sa, à sa première participation. D'abord une victoire contre la Corée, ensuite trois défaites euh, face au Brésil, à l'Espagne et au Ghana. Dans l'ensemble, quel est votre regard sur cette participation Mais écoutez, s'il faut lire euh, sur les papiers, oui, c'est pas mal. Euh, l'histoire retiendra dans tous les cas que le Niger a atteint ce niveau de compétition. Et sur le terrain Sur le terrain, nous avons été, je pense, ridicules contre le Ghana. C'est un problème de coaching non, c'est un problème de niveau. On a euh, franchi un palier. Vous avez vu à la phase de groupe, euh, l'équipe s'est comportée pas mal. Même contre le, Brésil où on a perdu 4-0, le comportement de l'équipe n'était pas mauvaise. Mais contre le Ghana, D'abord qu'ils nous moignent, parce qu'en quelques mois, c'est pour la quatrième fois qu'on croise le Ghana et qu'ils nous battent. Donc, c'est un problème de niveau. On a changé de palier et c'était au-dessus de nos capacités. Autrement dit, on doit venir euh, reprendre nos niveau cahiers. À tous les niveaux, que ce soit du coaching des, des joueurs, tout, tout Non, le coach ne fait pas de miracle. Le coach ne travaille que avec les éléments qu'il a. C'est-à-dire, quel que soit le coach, il ne peut pas faire battre avec une équipe du Niger, tu ne peux pas battre une équipe A du Niger, tu ne peux pas battre une équipe A du Brésil d'aujourd'hui, c'est impossible. Donc il faut travailler, euh, nous l'avons dit, euh, nous allons le répéter avec le colmatage, avec le semblant de faire. On ne peut pas mettre en place une équipe nationale parce qu'on est allé chercher 13 euh, jeunes pour constituer l'équipe les équipes de jeunes se constituent avec des assiettes larges de 100, 150, 200 joueurs qui peuvent s'interchanger. Je l'avais dit à l'époque que ces jeunes, euh, euh, en avançant, certains peuvent perdre, y compris l'appétit du jeu. D'autres peuvent se, se blesser. D'autres peuvent carrément changer. D'autres peuvent perdre en matière de talent, parce que c'est du talent brut. Donc, on avait dit qu'il faut faire, il faut appuyer les centres, il faut appuyer les clubs à avoir, <clears throat> avoir une véritable politique de football de jeunes pour pouvoir rivaliser avec ces, ces, équipes-là. Tu peux dire carrément que le hasard est pour beaucoup dans nos résultats. Hein. D'accord. Suleiman euh, ben, je pense que euh, Armi est plus expert que moi en la <laughs> matière, mais je pense que d'une certaine façon, c'est encourageant, il faut les encourager, c'est motivant. Et je pense que véritablement, la question de fond, elle est là, c'est qu'il faut mettre un peu de moyens. Parce que aujourd'hui, quand on, selon nos, nos, informations, le budget du, du ministère du Sport, c'est pas grand chose. Donc, véritablement, euh, je pense que si on veut aller loin, il faut effectivement mettre la main dans la poche, bien que tout est prioritaire dans notre pays. Mais je pense que c'est assez encourageant euh, quand ils sont allés. En tout cas, ça, c'était intéressant de voir combien même on, voudrait les voir jouer. Mais bon, dans tous les cas, le football, moi, je ne sais pas de, la science exacte souvent. <laughs> Euh, il y a des surprises. Euh, eh ben, <laughs> D'accord, vous ça Mais rapidement, je suis tout à fait d'accord avec ce que l'âge et puis Armi ont dit. Mais le problème de fond, comme l'a dit Arimi, c'est que euh, on a comme l'impression qu'on improvise. Par un coup de hasard, on arrive à se qualifier dans une compétition au niveau international. On va, on, prend, on vient, on forme. Et même dans le cadre de, de machin, de la mise au vert, on voit un peu comment ça se passe. Ils vont, on les forme, on les amène. Ok, d'accord, ils sont partis. Mais au bout d'un certain temps, parce que plus tu montes dans ces compétitions-là, tu dépasses le premier tour, tu arrives au niveau des huitièmes de finale, les quarts c'est les meilleures équipes. Et là, quand le niveau de jeu te dépasse, tu n'as aucune chance de pouvoir battre. Par exemple, un Brésil, c'est comme vient de le dire Arimi, moi je pense que le football est devenu une science. D'accord. Merci. Nous sommes au terme de ce forum de la presse. Nous avons eu comme invité Ousseini Issa, journaliste freelance, Suleiman Mahamadou du journal en Niger Inter, Arimi Kiari de Alternative. Rendez-vous demain samedi avec Maman Ada à partir de 17h15 pour le forum en Hausa sur le bilan du H 2017 et dimanche le même thème sera développé en Zarma par Balkissa Amidou à 17h. 15 également. Merci et au revoir.